Ça va Nice, nice, Thank you. on va faire tout doucement. Guy, on s'écoute s'il vous plaît. Les gars, on s'écoute. Ok. Alors, Bloom, quel est l'état d'esprit du groupe à trois jours de ce match contre l'Angleterre bah, Tout d'abord, euh, le groupe il vit bien et qu'on est concentré. Euh, aujourd'hui, vous avez vu le début de l'entraînement, comment ça s'est bien passé. on a eu un bon état d'esprit et on est conscient de, de match qui va suivre bientôt, Inch'Allah. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez su que vous allez jouer contre l'Angleterre en huitième de finale bah, c'est un, match, on ne s'est rien dit, on, était juste content. On était dans les vestiaires, certes on, faisait la fête, mais juste un petit peu et on reste concentré parce qu'on est des professionnels et euh, on, sait que tous les matchs sont importants parce que nous on est venus pour jouer des finales. Tout le monde sait qu'on parle d'une Coupe du Monde, que rien ne va être facile et on est toujours prêt au Sénégal, euh, on est très confiant. Est-ce qu'en interne, le discours du coach euh, s'associe dans ce sens, va dans ce sens euh, que l'Angleterre est prenable C'est une équipe comme toutes les autres bah, Comme j'ai l'habitude de dire, on parle d'une Coupe du Monde. Il n'y a pas de petites équipes. Du, moment où, du moment où tu es venu ici en Coupe du Monde, ça veut, ça ça veut tout dire parce qu'il n'y a que les meilleurs. Nous, on va faire notre job comme d'habitude, répéter ce qu'on a fait durant la semaine et gagner ce match. C'est le plus important est-ce que vous maintenant On parle de football, c'est un jeu collectif. On est conscient de ça. Je pense que cette question, c'est, le coach est mieux, est mieux placé pour répondre pour ça. Nous, on est des professionnels. On doit être prêt. Et si le coach il fait appel à nous, à moi ou à quelqu'un d'autre, ils soient prêts et qu'ils fassent le job pour qu'on puisse gagner. C'est le plus important. Euh, bah, on, on, parle de football, hein. ça va durer 100 minutes. Le truc qu'on a fait durant cette semaine pour avoir les trois points qui est le plus important. alors alors ci wolof lu instant bi euh, groupe bi l'état mooy il d'esprit bi une qualification bi y war a 8e de finale en contre Angleterre.

gëm suñu bop amul Angleterre dañuy ñuy amul France dañuy ñuy ndax daanaka li ñuy gis ci réseau yi yëpp ñun ñun joueur yi ñun tek nañ suñuy bëtt té ñu ngi ñaan gaay yi ñu ci ay ñaan ndax français ñoom japp nañ déjà ñoom dañuy joué euh, Angleterre ba paré mais de toute façon ñun xam nañ lan moy suñu euh, lan moy lan moy suñu doole lan moy suñu kàttan donc dañuy dem pour gagner match bi inshallah allah. loolu da leen motiver davantage le fait que français yi di jàpp ne yéen Angleterre da leen di gagner loolu motivation waaw mais motivation là, en plus euh, da ngay gëm sa bopp ndax ñun ku nekk xam nañ euh, point fort sénégalais yi daa mel ni euh, wax yi def ñu jig tu vois en plus ñoom ñoom seen trois matchs yëpp dañ ko gagné te ñun suñu premier match dañ ko dañ ko dañ ko perdre te gis nañ après ni ñu ni ñu ñu réagir donc ñu ngi sant yàlla bu baax daal te yaakaar naa dinañ ci dugg ci jamm génn si alhamdulilah ndax match bi lu mu munti démé nu mu munti kiiwee dinañ xamni ñun ay gaynde lañ tey doomu sénégalais bokk ci joueurs yi nga xam ne footballaguñ ci compétition bi ndax pare nga. waaw fii ku fi ñëw ku fi ñëw da nga ñëw pour pour football ñëw pour euh, pour vacances wala affaire yooyu noonu ndax ñu ñëpp a pare coach bi ku mu muntu dugal toute façon ñun dañu yéene te jàmm suñu biir ñu ñu ñoo xam ne ñi nekk si banc bi gunge équipe bi 11 euh, yi départ xam nga man daal lu may ñaanal équipe mooy kenn bañ a blessé ñëpp nekk si jàmm xama nga ñun ñii di jouer ñu gunge leen si terrain bi. de toute façon man nekk si banc bi joué ma loolu yëpp amul solo na sénégalais gagne ndax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ. mais mais euh, Angleterre suñ koy wax offensivement la ko nit ñi gëna ragal yow défenseur na nan ngay nan ngay jàngatee. waaw mais football la rek. football la rek match bu nekk euh, ak ñu koy joué ah. match bu nekk ak ñu koy joué ndax match yi des fois nga ñëw doo xam sax match bi nu muy demee ñun mun nañ njëkk a dugal après match bi changé ubbeeku comme ñoom tam ñu mun nañ dugal match bi changé. ñu euh, sabali ak ki nga xam ne mooy Nampalys si image yi jot a seetlu mbaa du dara non man lool mom wax deug fa yàlla du ci wax parce que euh ma xaw je sais pas. <laughs> c'est bon merci. Hmm? dafa feebar. voilà kon euh, ba légui euh, complexe Al dual bi. euh donc euh, Taïmo moom un peu le porte micro mais euh, c'est juste pour faciliter le travail donc dire que euh, Dengen c'était Formose Mendy mon passé à l'instant le discours qu'il a eu c'est que l'équipe, pour l'instant ils ont le moral hein, xam nañ leen di xaar en huitième de finale contre Angleterre du nekk match bu yomb certainement mais ils sont bien préparés ils sont surtout hermétiques à tout ce qui se passe à euh, l'extérieur li si am solo mooy ñu ngi continuer di def seen liggéey di def seen préparation muy Angleterre muy équipe bu mu munti doon euh, ñoom pare nañu pour euh, jonganteeg ñoom en huitième de finale loolu di ay kaddu Formose mendi wax na ni quelque part source de motivation la le fait que si réseaux sociaux yi wala yenn chaînes yi bu si mel ni l'équipe si seen projection yi nga xam doon nañ ko def ils avaient même euh, parler d'un quart de finale France-Angleterre comme si Angleterre dafa nar a ñëw rek jaar jàll Sénégal donc nous avons nañ ne source de motivation là et euh, justement euh, pour vous dire que nous avons xam de li leen di xaar ci match boobu nga xam Sénégal ak Angleterre dimanche Inch'Allah donc également dégg ngeen Mamadou Loum Ndiaye en zone mixte moom tamit plus ou moins le même discours que yëkkati hein, fii nga xam euh, le équipe bi ils sont concentrés ils sont focus et euh, li des dal moy ñu fexé ba yegg ci match bobu ci jàmm ak salam bu ko défé rek euh, ñu mëna def un bon match et d'ici yakar ndam bu yaatu euh, ñi ngi seen également El Hadj Ousseynou Diouf xana ñu jëm ko mom tamit jël pour xool un peu lan moy réaction par rapport ak 8e de finale bobu donc El Hadj Diouf on va essayer de l'avoir donc ñu ñu may ko tuuti le temps que mu répondre à quelques à quelques questions de l'autre côté donc. Euh, on va essayer également d'avoir sa réaction. Donc, euh, c'est ce n'est pas évident. Nous sommes ici. Euh, zone mixte bi euh, bari na bari na bari na li nga xam moy euh, mooy ay ay journalistes qui viennent du Sénégal d'Angleterre de partout dans le monde parce que tay boy xol même sax ci li nga xam moy conférence de presse bi wala surtout ci entraînement bi y avait pas mal de presse yo xam ay anglais lañu pour nous xool nan on l'a pas aperçu à l'entraînement Euh, donc euh, bon on va essayer de creuser pour xam lan Lolo. waral est-ce que dañ ko reposer rek euh, pour mu noppalu wala est-ce qu'il euh, souffre d'une gêne musculaire Ou amna lu xew ci ginnaaw bon on ne peut pas pour l'instant trop s'avancer dinañ xol pour xam également Youssouf Sabali pourquoi euh ci information yuma ma glané également on nous a dit que euh, moo waral euh, Youssouf Sabali ak Nampalys Mendy tey gisuñu leen en en zone de en en en galop d'entraînement donc maa ngi gis Famara Euh, on va essayer d'avoir Famara Diédhiou euh, mu ngi noonu di jege si donc Famara mu ngi noonu di jege si ñu jéem a si on peut l'avoir voilà Famara fii baax na voilà. da ngeen bëgg ñu dàq ma yéen. voilà ñu ngi gis na wax gañ mais dox dara mais caméra bi dama koy lekk kon. non Famara foofu baax na. Euh, c'est bon les gars euh, monsieur la perche voilà hein. c'est bon. Alors Famara, on voit qu'il y a de la décontraction, mais beaucoup de concentration dans le groupe. Euh, trois jours de ce ah, Il faut un maximum de concentration. On sait très bien que ça ne va pas être facile face à une belle, équipe euh, anglaise. Une équipe qui a déjà remporté la, la, Coupe du Monde et qui a été euh, finaliste de, l'Euro. Donc euh, voilà, à nous de, croire en nous et de faire le maximum. On sait très bien que ça ne va pas être facile. Après, de notre côté, on essaie de, de, se donner le maximum à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était un peu relax, mais bon, ça ne nous donne pas on ne va pas se relâcher parce qu'on sait euh, ce qui est devant nous. Donc à nous de faire notre, euh, le maximum. ce, qui, est, devant vous, est-ce que vous pensez que c'est un adversaire qui est, euh, disons, un peu imprenant pour le Sénégal ou bien vous avez vos armes pour aller chercher les armes il faut, juste, croire en nous. C'est le plus important, c'est de croire en nous. On sait très bien que c'est une équipe pas facile à jouer. Donc on a toutes nos chances aussi. Donc à nous de, de faire le maximum et après on verra. Hein. Beaucoup de joueurs sénégalais ont eu à jouer en Angleterre, Premier League, Championship. Est-ce que c'est un atout Un atout, mais non, mais ça donne encore plus de la motivation. Ça donne de la motivation parce que voilà, comme vous avez dit, il y a, une dizaine de joueurs qui, vit et qui, jouent en Angleterre. Voilà, ça va être une belle affiche. Je pense qu'eux aussi, euh, voilà, ça, va leur donner envie de, jouer. Comme j'ai dit, à nous de, de prendre nos chances, et euh, après, on verra à la fin. Est-ce euh, qu'on est prêt pour ce match <laughs> faut juste regarder l'affiche. C'est une belle affiche. Après, <laughs> voilà, on est prêt depuis le, depuis le début de la compétition. C'est pas maintenant qu'on est prêt, on est prêt, on est prêt depuis le début. faut prendre match par match et il euh, faut, nous faut donner à la fin. Alors, si on très rapidement, Il y a beaucoup de décontraction, mais quand même il y a de la concentration avant ngeen di jouer huitième de finale. ah xam nañ équipe bi xam affiche bi mom, affiche bu am solo la du du yomb parce que équipe bi euh, équipe anglaise bi xam nañ ne année bi passée rek moom moo final final final euh, euro bi donc euh, faut que juste nous nous continuer li ñuy def ñu pare depuis le début xam nañ affiche bi tamit affiche bu bu am solo affiche bu am maanaa la.

Voilà, vous venez d'entendre le ki nga xam ne mooy euh, Famara Diédhiou le discours est le même par rapport à ñeneen ñi fi jaar yëpp euh, man sax li ma gën insister mooy le fait que gis nañ ne quand même euh, Lyon, ils n'ont pas l'air d'être stressés amuñu benn benn trac donc ils sont très décontractés très relax mais concentration bi mu ngi fi loolu moom tamit Famara dëggal na ko ne certes dëgg la ambiance baa ngi fi ñu ngi kaf ñu ngi foo ñu ngi rek mais xam nañ li leen di xaar xam nañ ne équipe bu mag la ñu dajal euh, vainqueur de la coupe du monde en 66 yàgg na mu ngi suñu ginnaaw mais tout récemment finaliste malheureux euh, de l'euro euh, bu ñu ñàkk seen ak Italie mais pour vous dire que c'est un groupe boo xam ne voilà ay joueurs yu am solo ñoo fa nekk yu ràññeeku rawatina ca Premier League mais fii ci Sénégal aussi on a des joueurs yoo xam ne macha allah mën rivaliser avec n'importe quelle équipe donc loolu sax moom Famara Diédhiou boo leen di xool loolu la a insister. Euh, d'ailleurs, euh, on s'est amusé tout à l'heure à faire un peu le décompte, euh, plus ou moins ci euh, vingt cinq wala 26 jours yi Aliou Cissé woo woon euh, ñan ñoo ci nekkoon Premier League et on se retrouve très facilement avec neuf presque dix jours Yo, xam dix jours yoo xam ne ñu ngi ñu ngi joué entre championship bi ak Premier League mun nañ ci lim Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Nampalis euh, ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté Iliman Ndiaye ba si Mamadou Loum Ndiaye miy joué Reading donc booy xool si équipe bi y' a beaucoup de joueurs yoo xam ils ont eu à jouer soit en championship soit en Premier League. Donc pour vous dire que quand même, ils ont l'habitude euh, de jouer euh, dans des championnats de haut niveau. Et peut-être l'OL aussi, euh, nous compter à la fin qui euh, match bobu dox Sénégal ak Angleterre. Donc je ngi fën sen Diouf peut-être qu'on va essayer de l'avoir LH joué une Diouf pour un peu avoir également sa réaction. Donc Diouf mom xamna dina dina certainement pour mom tamit yeey yabbi ci 8e de finale bobu di xaar Sénégal voilà pour vous dire que euh, état d'esprit bi ñun d'après ñun seetlu buñ fi am moy que vraiment les joueurs ils sont concentrés ils sont focus mais teguñu une bonne pression té loolu daf may renvoyer à euh, Aliou Cissé li doon wax avant ñu jouer ak euh, Équateur pression euh, bi ñom dañ ko doon dégg ci biti rek mais en interne ñu woon li nga xamné moy pression donc tay aussi c'est le même message c'est le même discours bi nga xamné ne Mendy Famara Diédhiou ah, ak Mamadou Loum Ndiaye ils ont eu ce même discours que ni ils sont là ils sont concentrés mais ils ne se mettent pas la pression donc euh, on va essayer de guetter un peu El Hadj Ousseynou Diouf mu ngi na la di euh, waxtaan ak presse étrangère bi euh, donc vous êtes toujours là en direct. Euh, fi nga xam ne euh, zone mixte complexe al dual bi euh, juste à côté de là où s'entraînent les lions ñu xaar tuuti rek pour am avant de peut-être rendre l'antenne li nga xam ne mooy réaction wu El Hadj nous Diouf moom tam depuis le début toujours ouvert toujours disponible mais toujours il a un discours qui est très rassembleur ah Diouf et dañ koy souvent ci image yi ci photo tout le temps on ngi waxtaan ak tout le temps mu ngi waxtaan ak Jacobs ñoom ñoom Formose mu ngi kaf y di conseils conseil mais on voit également que il est souvent en train de discuter avec Aliou Il dafa am une proximité et c'est important donc euh, on va essayer d'avoir un peu sa réaction pour euh, ce match euh, contre l'Angleterre on a vu que contre l'Équateur keroog dafa jubilé hmm? je pense qu'on a rarement vu Diouf aussi stressé et puis fin au match bi mu jubilé carrément euh, exulter euh, donc euh, on essaie de voir sur des mondes comme sinon aussi ça sera certainement pour une prochaine fois mais d'après les détails ici entraînement on n'a pas vu Youssouf Sabali. mënaguñ avant avancer trop on en sera plus que que ñuy.

mais en tout cas si vous ñaar un on ne peut pas trop s'avancer mais nous euh, ñu ngi fi s'entraîne correctement normalement l'entraînement à huis clos à l'issue de nar def donc ngeen profiter de euh, l'entraînement à xam à entraînement zone mixte mais demain normalement on devrait fermer la tanière pour préparer li nga xam de finale donc demain assurément l'entraînement à huis clos peut-être le samedi on aura 15 petites minutes pour euh, véritablement voir lan euh, dernier réglage à Aliou nous euh, dimanche le 4 décembre faire le stadium Al Bayt le match bu rëy Angleterre vraiment les joueurs entendent tous l'aborder avec beaucoup de sérénité donc El Hadj Diouf mu ngi mu ngi jege ñu LH Diouf ñu Idi euh, voilà Diouf euh, gars yi ko xaw mais on est on attend un peu rek xam naa xam donc on attend un peu pour avoir la réaction de Diouf da ci am solo moom tam que euh, fi mu un membre très important de la tanière ci surtout rôle bi muy joué auprès des jeunes de leen. Euh, sensibiliser de échanger partager ak expérience euh, notamment dans compétition internationale donc c'est toujours important Nous travaillons tout rek euh, léegi ngeen nous ko comme ça on pourra continuer à ak exceptionnellement fédération ils ont mis à la disposition de la presse nationale et internationale trois jours mooy Famara Diédhiou Formose mendi ak ki nga xamné ne Mamadou Loum Ndiaye donc euh, Famara nga non di dam donc on attend que djouf bu ñu amee réaction rek après nak on pourra live bi euh, donc euh, un peu de patience rek le temps que le temps que djouf di ñëw ñu continuer ñu continuer ah Famara mom gaay Famara gaay yaa ngi koy <laughs> ndax vous avez vous avez tous vu un peu vidéo boobu nga xam ne Lum euh, Lum ak def nañ ko ba Famara donc <laughs> gars euh, tam vraiment comme d'habitude il est toujours toujours souriant toujours euh, disponible pour la presse donc mu ngi noonu Famara <laughs> non Famara dafa de de euh, Famara nee na yi duñ ko dugal duñ ko dugal donc euh, mu ngi nonu di dem euh, mom tam buteur contre le Qatar Famara Diédhiou qui est également un de un des hommes forts d'Aliou Cissé un des éléments clés de la tanière hein. Euh, ah Diouf de xanaa ñu taaxirlu ko rek gars ko xaw a ci côté zone mixte bi tuuti mais nañ ko nañ ko taaxirlu tuuti rek Euh waaw xamna naa ci xëcc ko lay mujjé dé comme gars yi gars yi bëgguñu ko libérer. Mais on attend. Euh, notre double ballon d'or, hein, sans forcer, comme il a l'habitude de le dire. Euh, certainement que les encore. Voilà, Djoufi. Nous, nous, nous, tout nous, nous, nous, Diouf nous, Diouf mu ngi ñëw euh, euh, ba léegi mu ngi mu ngi wax ak gars donc on on on patient ñu xaar tuuti rek xamna légui mu ñëw ci ñun. El Hadj Ousseynou Diouf mang koy gis voilà mu ngi mu ngi mu ngi noonu mu ngi noonu di ñëw kon ñu ñu ñu ñu ñu jël ko ñu jël ko euh. donc euh, Diouf fi touti rek merci voilà voilà <laughs> waaw fi moy bax de fi moy bax de waaw kay waaw kay euh, donc. C'est wolof wala français? Ñaar yëpp ma commencé ban. Français. France après merci. c'est bon. qu'est-ce que je pense du match France-Angleterre pour moi c'est un match historique qu'on mettra dans les annales du football sénégalais comme le match Sénégal-France ça me rappelle le match Sénégal-France déjà un parce que pour eux ils l'ont déjà gagné avant de le jouer deux euh, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous et trois je sens qu'ils vont être très déçus après le match et tout ça ne dépendra que de nos joueurs ils n'ont rien à montrer pour montrer que euh, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que je ne me fais pas de soucis à la place de euh, Mendy, ni Koulibaly, ni euh, Abdou, Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, même Ismaël Essar qui joue en championship, et je l'ai dit aux Anglais, Ismaël Essar qui joue au championship, aujourd'hui c'est un niveau de première ligue. Et il le montre chaque match. mais en Angleterre, euh, des fois les choses sont bizarres. on s'attend à un match très difficile un match euh, historique et on se doit de le gagner pour faire plaisir au peuple sénégalais, au peuple africain et aux amoureux du football. Parce qu'il n'y a pas que, euh, que l'Afrique euh, ni les Sénégalais qui soutiennent cette équipe du Sénégal. C'est les amoureux du football aussi. Il y a les amoureux du football aussi qui, supportent cette équipe. Franchement, à ce stade-là, on est, j'ai été joueur. Euh, j'ai été dans ces moments-là, à ce stade là on ne pense plus parce qu'on joue là-bas ou on ne joue pas ici ou euh, ce qui va se passer autour. Moi, je dirais que j'ai joué en France, mais jouer contre la France en 2002, c'était une question d'honneur, d'homme et surtout de montrer qu'on peut secouer le monde ce jour-là. C'est ce, jour-là, on doit montrer à tout le monde que le Sénégal est prêt, a envie aujourd'hui de dépasser les, huitièmes de finale pour aller en quart de finale. On peut le faire. Maintenant, ça dépendra que de nos joueurs sur le terrain. Et je sais qu'aujourd'hui, pour rassurer les Sénégalais, on est prêt, on a envie et plus jamais qu'on demande l'union sacrée derrière cette équipe-là. tant que joueur, vous bien jouer ce match-là quels sont vos conseils que vous avez donnés aux jeunes ah, Bien sûr qu'on on ne, on ne vit que pour des matchs pareils. Aujourd'hui, on a gagné contre l'Équateur, mais maintenant les gens ont oublié l'Équateur. Mais le match, le match contre... Euh, les gens n'ont jamais oublié le match contre la France. Et je dis à ces petits-là, si vous gagnez ce match-là, si vous faites tout sans regret pour ce match-là, et je crois que le monde se rappellera de vous à jamais. C'est ah ni ma match bi rek mën wax ni daf may fàttaliku Sénégal la France ndax match bu nga xam ni yaakaar naa anglais yi bo len di déglu gagné nañ ko te joué gun ko ñogi ngi jubilé match bi pareegul et je crois que France Sénégal 2002 20 ans après loolu mo amone yàlla na fu mu daan jaar rek mu jaar fa loolu rek lay ñaan et di wax ni tamit match bi comme ni ma ni ko sunu sunu entraîneur bu ñëk ba daan waxé rek tay non la ko Aliou di waxé yeneen jours yi tamit japp ka seen bopp modi dafa am match yu nga xam ay joueurs la ñuy classé mais ay góoru yalla ñoo koy gagné et Angleterre nak ñep xamna ñu sen seen xarañ ci xex ñep xamna ni moy championnat bi gën mak ñep xamna ni ne joueurs yëpp foofu la bëgg dem jouer en championnat donc nak ñoom ñoo dajantel équipe bu nga xamni euh wax di dina bëre coow li dina yëkkati dinañ dégg lu né mais limay wax rek moy ñun on est dañu concentré wu si benn affaire rek modi di bëggal sénégalais yi bëggal africains yi bëggal amoureux wu football yi nga xamni tay di yakar yaakaar ci Sénégal dina metti nak mais. Euh, daf may fàttali encore li ma naa ko dellu Sénégal France métti woon na lool ba ñëpp yaakaar na dañuy perte joué nañu match bi te yaakaar naa ne benn journaliste fàttalikuwul fàttalikuwul ni joué nañu match bi ba mu jeex te amuñu benn corner Sénégal France amuñu benn corner te teewul gagné nañu match bi donc pour rappel rek donc match boobu pour nga gagné que il faut que ñu soudé wu nekk benn muy supporters yi muy joueurs yi muy ñëpp ñu nga xam dañuy supporter Sénégal plus que jamais nous devons di ñaan l'union sacrée derrière cette équipe là nous yàlla on n'a jamais été aussi fort ma suñu gën am doole à jamais bu c'est bon Merci beaucoup. on garde toujours voilà kon euh, xanaa ñu yemale yëf yi euh, fii euh, ñu ngi woon en direct fi nga complexe Dual Stadium bu Doha dégg ngeen Famara dégg ngeen Mamadou Loum Ndiaye vous avez entendu Formose Mendy ba ki nga xam ne El Hadj Ousseynou Diouf ñu addu ci huitième de finale bi Sénégal war jouer dimanche dans trois jours plus précisément suñu diggante Angleterre match bu rëy on peut même parler de gros affiches ci coupe du monde 2022 bi waaye le moral est bon gars yi xam nañu leen di xaar damay jeexalee rek ci El Hadj mu euh, waxam moy match gooru yalla lay donc ça sera un match d'homme qu'il faudra aller chercher euh, pour justement remporter cette victoire qui nous permettrait euh, d'aller en quart de finale donc di Sandro sante bu baax di